الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ورحمة الله وبركاته نجلن دي نيو ين سنو بوكي جولتي بوكي سوبي تيال نيو الإسلام دي زيارة زيارة بو أندك تشوفيل أك نيان وايتميت أندك ساكو نيان أك دي بالو حق di ñaan yàlla lépp lu ñuy ko jaamu ci weer weeru tedd bi yàlla nañ ko yàlla nangul lépp luñ ci juum tamit sama borom jéggal ñu ko te yëkkati suñu jëf ci jëfi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax jëfu yonent bi rek la yàlla xam moom lay nangu moom lay accepté yàlla nañu yàlla yëkkati suñu jëf yëpp ci jëfi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke Seydina Cheikh Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu tabaarakallahu xam naa euh, xaw na xat tuuti dañuy barkeelu rek su ko defee ñu mën a euh, jublu ci euh, li ñu fi indi ñun ñëpp mooy xadara beeg wasifa bi tabaarakallaahu di nuyu sëñ Demba Cissé muy doyen xadara bi duñ ko nuyu yaakaar naa nuyu nañu euh, mbooloo mi yëpp di ñaan yàlla gën koo dëgëral gën a barkeel yëngat yi yëpp jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ko defee dañuy barkeelu rek lool ci waxu سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه تبارك الله نخمم je crois que c'est c'est la voie autorisée pour wax ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox tariqa bi moom la ko teg ci loxoom moom la jox ñetti mbir yi ñetti mbir yooyu mooy wérdu bi ak charte yi ak ngëneer yi waaw keroog bi mu dajeeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñett yii la ko yonent bi jox mooy wérdu yi ak charte yi ak ngëneel yi kon Cheikh Tidiane radiallahu anhu c'est le dépositaire de cette tariqa ba nga xamante ni képp ko askanoo ci tariqa bi sax Tidiane lan lay woowee te ñun ñëpp sax alhamdulillah ñu askanal lu ñu Cheikh moo ñu gënal askan beneen bu mu ci doon ndax askanam mooy gën gi askan te waxoon naa leen fii ci benn ci sunu saal yi ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tabeem mosuñu ko dégg ci benn waliyu mus musul am du waliyu yu njëkk yi du waliyu jamono yi du waliyu yiy ñëw moom dong moo la jox wérdam jox la ay chartam jox la ay gëneelam du ca yam mu jël santam sax jox la loolu kenn mus koo dégg ah du ca yam de sant wi loolu zahir bi la waaye ci baatin bi ndekete yoo sa deret di nekk ci yow sax da koy génne ba mu set jël deretam def ko ci sa yaram te deretam mooy deretu rasulullah yi waaw waxoon naa ko fii ne leen Seydi Mouhamadul Haafaz ak Tidjani ak Chinqiti moom mi nga xamante ci Afrique de l'Ouest ndax mom la Cheikh tidiane njëkk jox wérd ci sunu zone bi mauritanien boobu dane laata salaatu muy jot salaatul fatiha salaatul fatiha di tasaaroo ci Mauritanie ak ci Afrique nee na jotaay bu mu toogaan daan na xam kuy shérif ak ku dul shérif ndax leeru yonent bi gi nekk ci yow waaye nee na ba salaatul fatiha tasaaroo keroog ci Mauritanie nee na mënatul xàmmee kuy shérif ak ku shérif ndax su toogee benn leer bi mooy nekk ci jaam yàlla yépp waaw loolu xam ngeen ni tabe mënta passé loolu waaw kon nag alhamdulilah yàlla nañ ko yàlla fayal ko defee Seydina Cheikh radiallahu anhu wa dafa wax ne du texe mukk wala boog texewul ñi texe wala ki texe lu dul ci ànd gi mu ànd ak ku texe wala ñu texe maa aflaxa man aflaxa illa bi soxbati man aflaxa waaw wax jooju nag yaakaar naa wax ju ñu war a jàngat la wax ju ñu war a xool la wax ju ñu war a jariñoo la beneen wax bi mu wax mooy wax ju ñu joo xamante ni mom lañu wara sante yàlla ñun ñëpp alhamdullilah ndax cheikh radiyallahu anhu ñun ñëpp mo ñu def ay muhammadiyun wali yu bo gis amna ben ci nit ci yonenti yu kuy pareem wali yu bo gis amna ci yonenti yi kuy pareem bu dé wali bu yam la amna wali bu mag bo xamanteni mom moy mooy waye waaye Cheikh amadou Tijani radiyallahu anhu mom dong moy wali bi nga xamanteni rasulullah moy mooy de A à Z waaye gis nga yamul ci yonent bi di parem waaye dafa fexe ba taalibeem yépp ci jamonoom ba keroog yowmal xiyaama képp ku jokku tarixa bi cheikh nee na parrainage boobu yonent bi defaloon ma la yow it da ngay am parénage boobu wax na ko nee na taabiuna muhammadiyu kullu man axasa wirdana yanzilu alayhi wa tuxsalu asaadatu lahu wa li walidayhi min xiinihi waaw cheikh Tidiane wax loolu nee na sunu tampon bi ñu yor sunu caractère bi ñu yor tampon lañu gëna xam tampon mu ne tam so akay so bi ñu yor tampon bi ñu yor cheikh neena muhammadi yu ñeneen ñi seen tampon yi wi yu lañu wala isa wi yu wala nuuxi yu wala ibrahimi yu wala waaw yonent bu la neex ti tibbal seen tampon yi neena na tampon tampon yi yonent yooyu lañu cheikh neena ñun nag suñu tampon ñun cheikh Tidiane tabi'una muhammadi yu te bu dee sa tampon tampon yonent bi la Muhammad yi la bu ñu askane la Seydina Muhammad la tampon muhammadien la léegi da day am doole joo xamante ne day dépasser le temps et l'espace avant asamaan di am ak suuf ak mbindeef yi ak dund ak dee ak aljana ak safara day fekk tampon boobu day continue day commencé di dox imdauhu kaana yamdi fi tasarrufihi fi kulli amrin bada tuubaahu tuubaahu sëñ Babacar radiallahu anhu du tey waaw ديسان واخنا كو فيسخ من قطب الوجود الذي ابدا ولايته ربي وادم بين الماء والطين واو آه، لول كو سيدنا عربي رضي الله عنه واخون ايضام عبد في حماكم قد نزل يا سادة لهم السيادة في الازل واو آه، نينكو شيخ في تي سوف لا نيت دي تود ولي دي لا تود في لا ني توغي دي واخ دي اكسبليكي افير واو دي لا جيم ووتال ندند دي لا جيم ووتال موروم واي تي ازل ba kenn xamul sax ne ñoom am nañu ni mbindeef fi bi ñu bi ñu réeree seen bopp sax ne ñoom existé nañu war nañu war a war nañu war nañu existé mu ne ko yow ni sa maam jiitoo ñëpp noonu nga jiitoo ñëpp fu sa maam musa taxaw rek su su ngoon jotee yow nga taxaw fa lu sa maam naan décide ba yaa ko jël waaw kon nag rawante bi ku yaakaar ni fii la du fii yàlla pare na waaw ah, ah, rufiatul aqlaam wa jafati suhuf waaw waaw yàlla pare na pare na ci mbir Cheikh waaw motax amna ci yenn choona yi sax daanaka ku xam jaru ko motax amna ci yenn yitte yi tamit doo ko déggee rek xamal ni leneen la waye du Cheikh du tarixa bi ma la ko wax de coow yu bari mom mbiram moko yor moo koy gérer moo doxal xamna li ci dox ak li ci dox yup moo koy gérer moo doxal yow on t'a pas demandé de gérer la tariqa yow gérer sa bop gérer sa wirdu sa wasifa sa hadra lolou la laaj li ngay wax yëpp kenn wax loolu ko li ngay def yëpp kenn def loolu ko yaa ngi sonal sa bopp yaa ngi war a def bac scientifique dem di nekk ci ay xawma technique ak di sonal sa bopp ci yu kenn xamul yow demal defi sa PC bu dëgër ak sa mathématique bu dëgër doo amee yeneen yoo ci dolli mu baax nga xamante ni dooy def di am devis waaye yow lii di sa mooy say matière dominante nga wàcc ko fa dem di topp yu kenn yu kenn xamul da ngay gaañ sa bopp yàlla nañu yàlla dimbali waaw kon cheikh waxam bu njëkk bi radiallahu taala anhu li mu wax ni ma aflaha man aflaha illa bi soxbati man aflaha koku wax ju garaaw la gis nga loolu fi la cheikh jangale nit li ñuy wax ñun fi li ñuy jàng ci école yi li ñuy wax le déterminisme ah, ah lan lañ ci waxetee l'environnement détermine l'individu cheikh neena ñi taxé ñëpp li leen may ñu taxé moy and ak ñu taxé waye neena ñi halku ñëpp ñi yàqu ñëpp li leen alak moy and ak ñu taxé bi di nga gis jeune bu baax bu yiw bu correct bo xamanteni musul tox musul nan musul fo musul def dara lu yalla bëggul ben bis rek mu daal di xëy daal dem séti ay copains toog ndekete dañu dañuy tux yamba di jëfandikoo drogue police def fa descente te pourtant ça fait 2 ans 3 ans ñoo ngi tok fofu def li ñuy def kenn musu leen jàpp nga dem fa tay ji première dem police def fa première descente japp leen jàppaale la peut-être la dix ans te yow xam nga ni defoo say wéyjur xam na ni defoo sa copain yooyu sax nga nga fekki woon xam na ni yow defoo waaye yaa ànd ak ñuy def moo tax ba ñuy jàpp di def ña def la def yow it dañ lay boole ca def ga kon environnement dafa am solo gis nga doo gisee tarixa bi yëpp tarixa bi lépp mbiru environnement la lépp mbiru environnement la waaw gis nga ñun ñi ñëpp dinañu wérdu suñuy kër waaye xam ngeen ni wérd yi ngay def fii nii bala ñuy wérd sa laazim yi du bokk ak mu kër ga wala bokk du bokk xale yaa ngay romb télé baa ngay wax coow laa nga foofu l'atmosphère le climat l'environnement n'est pas le même ça change waaw loolu moo tax euh, Cheikh radiallahu anhu euh, bon damay wax français pour mbokk yi ñëw donc c'est pour cela que Seydina Cheikh radiallahu anhu euh, <laughs> wallahi c'est c'est un homme d'une vision extraordinaire. Vous savez, la, la tariqa elle a une assurance sur sa pérennité jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi Parce que le siège de la tariqa Tijania, c'est les mosquées. Le siège de la, de, de des wirdes de, la tariqa Tijania, c'est les mosquées. Donc tant qu'il y aura des mosquées, il y aura la Et il y aura des mosquées jusqu'à la fin des temps. En plus de cela, pourquoi cette Cheikh a laissé tous les autres lieux pour choisir la mosquée comme son lieu de dhikr, son lieu de wadifa, son lieu de hadra Pourquoi Pourquoi Parce que la mosquée, c'est un lieu protégé. Protégé contre quoi Contre les bruits, contre les, euh, le péché. Surtout le péché des, des yeux. La mosquée c'est protégé contre la, langue. On t'appelle, quand tu apprends les, les, règles, les codes de, bienséance, de discipline dans la mosquée, tu parles doucement, tu ne parles pas de n'importe quoi. On n'a jamais. Bon. Euh, on n'insulte pas dans une mosquée. Il y a certaines paroles qui ne sortent jamais dans une mosquée. Pourquoi parce que c'est Allah qui a protégé la mosquée. Donc Sidna Cheikh il a pris, cette, il a profité de cette protection d'Allah de, la mosquée pour insérer les wirdes de, son, de sa voix dans les mosquées. C'est pour cela que euh, peut-être ici on a des difficultés pour euh, les mosquées, mais tu pars au Sénégal, tu pars au Maroc, tu pars dans beaucoup de pays, le wird, la wazifa, la hadra ne se font que dans les mosquées. Parce que Cheikh c'est toujours de créer une ambiance, une ambiance de lumière, une ambiance de foi, une ambiance de protection, pour que cette ambiance-là puisse t'accompagner quand tu sors de cette assemblée, de cette hadra-là, pour que tu puisses avoir cette force spirituelle, cette énergie spirituelle qui pourra t'aider à, euh, à, braver, à pouvoir supporter, à pouvoir te euh, protéger contre les péchés de la rue contre les péchés au boulot, contre les péchés sur le net, contre les péchés à l'université, contre les péchés dans les rencontres, dans les parcs, partout dans le monde. Donc c'est dans cette optique-là que cette Cher nous dit Ma avlaha, man avlaha, illa bi sohbati, man avlaha. Donc c'est très important de toujours euh, favoriser une ambiance de foi, une ambiance de spiritualité, une ambiance de pureté, une ambiance d'amour une ambiance de fraternité, une ambiance de solidarité. Ah. Donc euh, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, euh, ils, ils, ils, euh, passent à côté de, des orientations et des enseignements de nos chers euh, maîtres dans la voie du Tassaouf. Donc c'est pour cela que la tariqa tijaniya, le wird tijan, la wazifa, c'est toujours dans ces conditions-là. Pourquoi Parce qu'on veut plonger le disciple dans cette atmosphère de lumière. Hein, pour que la lumière puisse être euh, son enveloppe. Hmm? Euh, quand vous faites, il y a un des, des des, des, prières dans la tariqa qu'on fait après les prières, hein, euh, avec la Fatiha et on finit par une prière, Tabarak ilahi minatari, إلى الدهر وتعاليت إلهي من الدهر إلى الدهر وتقدست إلهي من الدهر إلى الدهر أنت ربي ورب كل شيء لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين وارتاح بالخيرات اغفر لي ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك سبحان من تعزز بالعظمة سبحان من تردى بالكبرياء سبحان من تفرد بالوحدانيه كيس qu'est-ce سبحان من احتجب بالنور سبحان من احتجب بالنور subhana man ihtajaba bin c'est ça le secret de la tariqa tijaniya subhana man ihtajaba bin Allah il est lumière parmi ses noms il y a le nur. mais lui il s'est couvert de lumière qu'est-ce que ça signifie ça signifie que personne aucun être ne peut accéder à Allah à Allah si n'est n'est lumière comme disait Imam Al-Ghazali pour détruire le système il faut rentrer dans le système. Mais pour profiter aussi du système, il faut rentrer dans le système. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc, c'est pour cela que tout dans la, dans la c'est lumière. Pourquoi Parce qu'on veut que, comme euh, le prophète sallallahu sallam demandait à Allah, toujours, quand il allait à la mosquée, qu'est-ce qu'il disait Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'ai, nuran, wa fi basari Nouran, wa min fawqi il demande à Allah de mettre la lumière partout si la lumière est devant derrière à gauche à droite en haut en bas qu'est-ce que ça signifie donc c'est la lumière qui enveloppe celui qui fait cette prière là pour que tout en toi devient lumière pour que quand tu deviens lumière maintenant tu rentres dans le système de lumière كي الله نور السماوات ni perse ni romaine ni orient ni occident c'est une lumière qui n'a pas de couleur c'est une lumière qui n'a pas d'origine c'est une lumière qui qui compte pas les appartenances euh, linguistique, euh, sociale, raciale, c'est une lumière qui embrasse toute personne qui, qui, qui, qui, se sent prêt à recevoir cette lumière. C'est pour cela qu'il dit pourquoi Parce que Nourun ala Nourun. Nourun ala ça signifie quoi Le premier Nour, c'est le Nour de la ilaha illallah. C'est pour cela que c'est cher le vendredi, il nous dit de faire beaucoup la ilaha illallah. De renouveler notre foi. Il est l'heure 5 minutes de renouveler beaucoup notre, notre euh, attestation de foi. Si quelqu'un vient ici tout de suite pour rentrer dans l'islam, il peut dire, il peut rester le Coran 150 000 fois, il n'est pas musulman. Il peut aller à la Mecque 200 000 fois, il n'est pas musulman. Il peut, il peut sortir euh, la zakat 100 milliards, il n'est pas musulman. Pour être musulman, il faut dire Ashhadu لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله cette parole là c'est ça que qu'on doit revivifier qu'on doit renouveler à tout instant c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه sallam disait جددوا إيمانكم et les sahaba lui ont demandé kayfa إيماننا يا رسول الله comment on peut renouveler notre foi et le prophète leur dit قولوا لا إله إلا الله أكثروا من قول لا إله إلا الله Dites beaucoup la ilaha illallah. C'est pour cela que dans, le, dans la hadra, au moins qu'on dit mille fois la ilaha illallah. Pourquoi Parce que c'est la lumière, c'est la première lumière, la lumière primitive, la lumière originelle et originale. C'est la lumière source, c'est la lumière mère qui va, quand tu le dis, quand tu dis la ilaha illallah, et que euh, tu incarnes la ilaha illallah, et que la lumière de la ilaha illallah euh, euh, commence à jaillir dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton roux, dans tes actions, qu'est-ce qui, va se faire Tu vas avoir beaucoup de lumière de la ilaha illallah. Et c'est cette lumière de la ilaha illallah qui va maintenant alimenter la prière. Nourun, la ilaha illallah, ala nourin la prière. C'est nourun ala nour. C'est le sens de nourun ala nour. Nourun, la ilaha illallah. Ala nourin, maintenant tu pries. Nourun, la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on fait en ce mois béni la saum ramadan nourun, ala Nourin. la zakat à ala Nourin. La hajj à ala Nourin. donc si lumière avec lumière plus lumière encore lumière lumière à gauche lumière à droite lumière devant lumière derrière mais tout devient lumière et tu es plongé dans, dans la lumière tu ne vis que par la lumière. Tu ne vois que la lumière. Tout ce que tu dis, c'est la lumière. Tout ce que tu touches, c'est la lumière. Et c'est cette station spirituelle que avait occupé notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui lui avait permis d'accéder au plus euh, degré, euh, au degré le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on ne puisse pas expliquer vraiment ce qui se passait là-bas. Hmm? Parce que Sayyidina Cheikh il nous dit qu'il y a beaucoup de Mufassiroun, des gens qui euh, essaient de traduire le Coran, qui disent que euh, euh, euh Sayyidina Cheikh dit que beaucoup de gens disent que c'est la proximité d'Allah et du prophète. Sayyidina Cheikh, il dit non. Il dit que cette proximité, c'est la proximité entre Dibril et, le, et Rasulullah. Mais la proximité entre Allah et le prophète Mohammed, personne ne peut, ne peut expliquer ça. C'est une autre chose. Parce que là, si tu n'es pas initié, tu peux rentrer dans des difficultés. Donc, euh, euh Allah, qu'Allah nous donne la lumière euh, de La ilaha illallah, qui est euh, Ashajar al-Mubaraka, dans Allah Nur Samawati wal Ard, qui est la parole dont le prophète, dont Allah subhanahu wa dit que c'est une parole, parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan. Hein? Cette parole lourde-là, c'est la ilaha illallah. Euh, il dit que aussi c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la plante, euh, c'est la plante fruitière qui va donner des fruits à tout instant. Hein? يضرب مثلا كلمة طيبة ضرب الله ميرسي سي سفيان بارك الله فيكم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها Donc euh, il dit que cette parole aussi qui donne cette plante qui donne les fruits à tout instant, hein, qui n'est pas un, un fruit saisonnier, mais chaque moment, il y a les fruits qui tombent, c'est il a illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est dans cette euh, optique que cette Cheikh anhu nous invite toujours à, euh, à faire le dhikr, à